Alhamdulillah, Rabbil wa ala Chers frères, déjà vous remercier pour vos efforts collectifs pour financer ce puits qu'on est en train d'aller superviser les travaux. Ce puits donc qui est en train d'être réalisé à Kaour. C'est un plaisir donc de prendre ce petit bateau et d'y aller pour euh, au moins se représenter vos yeux. Bismillah, voir comment se passent les travaux. Euh, c'est toujours un plaisir donc de gagner la confiance de précieux donateurs comme, donateurs comme vous et d'aller aussi représenter l'espoir que ces villageois ont, car c'est un grand espoir pour eux de voir qu'il y a des bénévoles, il y a des donateurs qui se sacrifient pour bismillah, essayer de faire d'au moins diminuer les galères quotidiennes, dont la galère du manque d'eau. Donc, euh, Inch'Allah, on va bientôt arriver dans le village. Là, on a quitté Sejou avec le petit bateau pour euh, rallier, Inch'Allah, l'autre côté de la rive. ñun ab association la boo xamante ne ñi ngi tudd Sakku Yiw euh, di dox ci yu mel nii maanaam di dem ci biir réew mi di xool ñi nga xam ne dañoo am aajo lu mel ni ndox ak yeneen ak yeneen pour ñu ñu leen di jàppale yoo xam di leen leen teggil coono boobu waaye jublaay bi du dara lu dul def ko te yàlla tax du politique du euh, ay nit yeneen ñoo nekk suñu ginnaaw mais def te yàlla sax def fii sabilillah def loo xam ne ëllëg soo génnee àdduna nga fekk ko sa bàmmeel. imaam bi moo ma ñëw fii mu ne ma kontaan na ci lool lool lool lool lool ndaxte boo gisee doomi aadama fondement doomi aadama ndox la génne kon tey bu ñu amee teen fii ngeen am yéene boobu defar teen loolu moom sadakatu jaariyat la moom fu manti doon si àdduna bi même boo nekkatul si àdduna bi. nga xam ne moom képp ku laal ndox bi sëñ bi nee na mu leen di ñaanal bu baax gudd fan ak wér gi yaram ak alal bi tax ngeen mën a def lii yàlla alal boobu bi tax ngeen def lii yàlla mu yokku jëm si kanam yéen mi koy liggéey ak ñoo xamante ni ñoo koy financé yalla na yàlla fay wér gi yaram ak gudd fan ak alal bu bëre am doole boo xamante ni moom mën naa yokku incha allah loolu la ma yebal nee na ma nuyu leen bu baax nee na kontaan na ci bu baax baax a baax a baax a baax mu ngi leen di gërëm di leen sant. maay secrétaire mairie kaw donc euh, lii bu ma gisee lii daf ma bett mais dama kontaan parce que lan la ñun lii la ñuy uti présentement boo leen gisee ñun robinet bi guddoom lay jógee mais présentement côté bi yëpp amul ndox bu ñu amee genre yi

jayro dem bal jayde suto ni teɗola mbeɗa alen so cete fo sa sasa mañato arkana ni koya dunje arkana setan dunje ar biriŋa kolon je jang a sewo wartan bulu ani ay ni fanu ni tilkando jam fata be da da ka jaale ala ma makoye fo ma ye ni na ngani kan ale kolo lo jedin o barajo o ɓatoliyele wo ɓe laara aliye mbaal jayla mbaal tentula akoyen sewo belo dindin ke ba nga kolon jaja kontano warta bak a warta nin kolon jiye bota bita do ku ta banta abe kuntula nyinnal ne min bota ten aya bi min bota ten ayna bi min be tambila ni lafta ni lafta be jenkela le ya falin so dilala nganku ngambalo sumiande ye tambiye tela hajola abe baraji ntole baraji o soto atol tay siyawote atol miliyadinna ala sal jiwo donc euh, dire aux donateurs qu'on était venu ici pour superviser les travaux parce que c'est des gens qui, financent souvent qui ne sont pas d'ici, qui ne connaissent même pas ces, petites villes. Donc alhamdulillah, on a vu que les travaux se passent très très bien. Et aussi, j'aimerais remercier le propriétaire de cette terre qui a voulu bien nous donner un lopin de terre pour que ce puits soit une réalisation commune qui appartient à tout le monde. Parce qu'on aurait fait ça dans une maison fermée, on va dire, dès qu'il y a des bisbilles entre le propriétaire et un des villageois, peut-être que la porte serait fermée à ce villageois. C'est pour ça, tout le temps, on essaie de faire de sorte que le puits soit dans un emplacement qui appartient à personne. C'est juste pour parer à toute éventualité qui pourrait faire que tel ou tel n'aurait pas le droit de puiser. C'est juste pour ça. Donc on a bien insisté pour que ce soit fait dans une zone qui appartient à tout le monde.